de Feu Gilbert Sambou et de Didier Bargy, je pense que notre société, la société sénégalaise, n'a jamais accepté que ses membres puissent disparaître dans des conditions aussi douloureuses sans que rien ne soit fait pour en connaître les raisons, sans que rien ne soit fait pour connaître la vérité. Aujourd'hui, à travers l'intervention de Alain et de Vincent Sambou, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte de la souffrance que ces personnes vivent. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là qu'Amnesty International, pour accompagner ces familles qui ont droit à un procès, parce que le rôle du procès, c'est de découvrir la vérité et éventuellement de sanctionner les auteurs des atrocités dont ces personnes que je viens de citer ont connu. Donc jusqu'au moment où je vous parle, le silence, aussi bien des autorités judiciaires que des autorités militaires, ont plongé ces familles. Au-delà des familles, même, je crois que tout récemment, on a vu des interventions dans les réseaux sociaux, même des camarades, des collègues militaires des défunts, que toutes ces personnes-là eh souffrent pour ne pas, jusqu'à présent, avoir connu les raisons les circonstances dans lesquelles Didier a disparu et dans lesquelles Fulbert Sambo a trouvé la mort. Donc aujourd'hui, euh, la sortie, je pense que c'est là aussi le prétexte de ce qui, ce qui est arrivé aujourd'hui, la sortie de M. Ismaël Major Fall a jeté du flou dans les ténèbres du silence et du mépris, n'est-ce pas, exprimé vis-à-vis -vis de la famille des défunts. Donc aujourd'hui, la famille l'opinion publique nationale et internationale veulent savoir pourquoi cela est arrivé. Et nous osons espérer que l'État, que la justice prendra toutes les dispositions nécessaires pour que Moïse Ismaël Major Fall soit entendu et que ce dernier serait dans les dispositions de se faire entendre par la justice pour éclairer la lanterne de ces derniers. Parce que, et c'est sur la place publique, on ne peut pas dire de façon péremptoire que les cas de DJ Barji et de Philbert Samou sont couverts par la loi l'amnistie. Revenir le lendemain pour soutenir le contraire, cela révèle au moins une chose, que M. Fall en sait quelque chose. Et je pense qu'il le doit aux Sénégalais. Il doit venir se présenter et dire ce qu'il en sait pour que ces familles-là arrêtent de souffrir, pour que justice leur soit rendue et que justice leur soit rendue, c'est prendre en considération, prendre en compte, prendre en charge les familles de ces défunts. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de feu Didier Badji, parce que jusqu'au moment où nous parlons, nous ne savons pas encore s'il est en vie, même si quand même il y a de lourdes circonstances, il y a de lourdes présomptions qui nous font croire qu'il n'est plus de ce monde. Donc ces enfants de Didier Badji qui ne voient plus leur père, dont la mère est décédée, eh bien, si ces enfants-là laissent indifférents les autorités judiciaires et les autorités militaires et administratives de ce pays-là, eh bien, on a le droit de se poser des questions dans la société comme la nôtre. Et donc, comme ils l'ont dit, le nouveau régime est attendu. Et nous souhaitons, nous espérons que tout cela fait pour que justice soit rendue à feu Gilbert Sambou et à DJ Barchi. Et qu'est-ce que l'amnistie compte faire pour accompagner ces familles-là Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire Parce que jusque-là, si c'est arrivé ici aujourd'hui, c'est parce que c'est Amnesty qui s'est inscrit dans la logique de les assister. Les assister en leur permettant déjà de pouvoir communiquer avec l'opinion, mais ensuite, Amnesty a commis des avocats, dont je fais partie, pour accompagner la famille. Donc vous voyez que Amnesty va continuer la mobilisation et à l'avenir va déterminer eh bien, les, les moyens d'action pour davantage sensibiliser l'opinion et amener les nouvelles autorités à rendre justice à ces familles. Revenez sur le Président. Amadou Diallo. Maître Amadou Diallo. Oui, la famille. C'est ça. Voilà, voilà, c'est ça. Euh, en fait, tey bu ñu ma wax si en tant qu'avocat parce que yoon Mayumako, mais si tuuru amnistie rek laa wax.

l'ancien ministre Ismaël Madior Fall gën na wax ay wax yi nga xamantene kenn xamul fan la sukkandiku mais lu muy wone ni moy au moins xamna dara ci yëf yi moo ñu am yaakaar que mom dina wuy ju justice pour au moins leeral euh, mbir ci ci affaire disparition bi ak décès de feu Fulbert Samb am ci yaakaar lool parce que am na ay nouvelles autorités yi nga xamantene dañ doon woote justice et familles de Jules Sambou et Didier Barthi, c'est ce qu'ils nous avons eux. Ils ont l'espoir d'être dans l'Oudou, comme on l'a dit à Olaf Angor, dans l'Oudou. Et que dans les meilleurs délais, la justice sera rendue à ces familles-là. Amnesty, vous avez dit que c'est passionné Amnesty... Euh, je suis un avocat on est accompagné dans la communication avec l'opinion publique internationale et nationale et donc Amnesty et plan d'action soirée, am Amnesty nous nous la justice soit rendue à ces personnes. Merci beaucoup. organisations de droits de l'homme et des associations de masse, du comité de gestion de crise, des ressortissants des îles Bliss Casa, de la Casamance. Donc, euh, ressortissants des îles du Casa, d'où sont nés les disparus, à savoir Feu Filbert Sambou et le disparu Didier Aujourd'hui, je pense que tout le monde nous attendait à ce que nous puissions venir parler avec la presse nationale et internationale. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que la famille est là. Nous allons vous faire vivre cette souffrance que nous endurons pendant plus d'une année. Pourquoi cette souffrance Cette souffrance est la déductrice d'un silence blessant des régimes passés. Parce que depuis la disparition de nos frères, nous sommes restés sans aucune information venant de l'État. Quand je dis venant de l'État, ce sont des militaires en activité et tout le Sénégal C'est qu'on a entendu ni la DIRPA, ni le haut commandant de la gendarmerie, ni la présidence. Parce que Didier était détaché à l'IGE, qui est un service de la présidence de la République. Et aucune autorité étatique n'a pu se prononcer sur cette question-là. Nous avons eu droit qu'un communiqué laconique du procureur de la République qui a ouvert une instruction qu'aucun Sénégalais ne sait ce qu'il y a à l'intérieur de cette instruction. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour continuer à poser ces questions qu'on s'est posées au tout début de, de ce qui s'est passé. Cette disparition qui a blessé plus d'un Sénégalais. Et ces questions, c'est quoi Aujourd'hui, qu'est-ce que nous autres, nous allons dire aux défunts, aux enfants de ces défunts je veux dire les héritiers de ces défauts, Didier et Fulbert Sambo. Vous savez tous que Madame Didier Badji est partie parce qu'elle n'a pas pu encaisser cette souffrance. Aujourd'hui, ses enfants sont sans père, sans maman. Et tout ça à cause de cette souffrance que nous avons eu à endurer jusque-là. C'est pourquoi nous voulons introduire après un de ses amis, un ami de Fulbert Sam, qui le connaît, avec qui ils ont vécu